chaîne Vrai Journal TV dalee nag jàmm itam ci seen émission face à Momar ñu am mbégte bu rëy di ci dalal koo xam ni kenn dootu ko présenté muy maître Moussa Diop nga xam ni moom moo jiite kuréel googu ñuy wax àndu gor yi ñu koy tuddee AG jot na itam membre coalition jomay président xam ngeen ni maître Moussa Diop mbokk yi nekkon na fi itam ki jité won Dakar Dem dik

pour euh, uniquement tas mais également def ko ci ni merci encore une fois pour cette invitation Nous, di sénégalais nous sommes nekk nous sommes nekk bitim parce que euh, vous êtes très suivi. parce que ce raisonnement et ak sa euh, analyse yi moo moo ko waral. di ñaan yàlla que ñu fiy wax tey yëpp mu am pour askan wi et fàttewuma kenn di gërëm ñëpp di sant ñëpp. maître nag waxtaan ak yow mbégte lay doon ci parce que danga nekk koo xam ni yaa ngi ci langue politique bi euh, boobaak léegi yaa ngi fësal sa xalaat. Mm-hmm. waaye gis nañ ni mosoo teggi kenn war ma. yaa koy def avec franc parler bi ñu la xamal moo tax fekk ak yow waxtaan dañ ciy neex dañuy neex lool. dana te xam naa ni boo moytuwul itam ñi ñuy seetaan <laughs> am mbégte bu ñu mel. incha allah met ñu tàmbali euh, waxtaan wi mm-hmm. ci sa turu mouvement mu ànd gor yi. parti la parti politique jot na parti politique. ñu seetlu itam lu weesu turu parti bi. Mm-hmm. mbiru ngor da nga koy convoqué lu bëri ci ce discours politique. exactement xanaa da nga japp ni politique bi ngeen nek ngor moo wara lal. effectivement Momar ñun euh, je pense que amna lo xamni ay valeur la ci éducation la té sénégalais yi defe naa li ñu leen xamee mooy li ñuy def ni ko def ci ngor. Euh, moo tax ñu tuddee parti bi ànd gor jot na c'est vrai que boobu ñu koy créé en 2009 ñu ngi ko tuddee woon alternative générationnelle parce que moment boobu tamit lu ñu doon ñaan mooy euh, ku pare dem may chance aux jeunes renouvellement du personnel politique parce que dañu doon gis les gens se recycler par la transhumance euh, da ngay ànd ak kenn yàlla jox ko nguur parce que yàlla mooy joxe nguur nous retournons wu li nga doon wax sax gëmatoo ko changé transhumé toujours on l'a vu ici depuis l'indépendance du Sénégal loolu moo tax ñun rupture boobu lañ depuis longtemps mais nag loo gis rek dañ adapté en fonction de l'évolution et de la société et des temps et de l'époque ñu gis ni ay sage ay mag ay califes ci réew mi interpellé plusieurs fois nañu xanaa ñun bokkuñu si da ngeen bëgg delloo mag ñi à la retraite man que vous déjà à la retraite vous n'êtes que sage pour pour nous accompagner ci ngeen bokk waxtaan waxtaan mais yàlla def ñu changé ko tuddee ko ànd góor yi parce que man li ma gëm comme ni ko waxee ak ñi ma àndal waa AG na maa ngi leen di nuyu au passage euh, looy def rek na nga ci def éthique na nga ci def gor na nga ci def ful ak fayda mais comme que ay jullit lañu aussi niñ ko def ci dëgg yàlla dëgg la bëgg moo tax daal euh, lépp lu may teg dama def même su ko waxul mais on sent que dama ko côté ci lo xamni ci gor parce que c'est nga sama cursus politique maa ngi commencé politique en 2001 sur appel de mon confrère et frère euh, Ousmane Ngom qui était au PDS PDS jël le pouvoir en 2000 mais je ne suis pas parti vers eux dem c'est mon frère Ousmane Gom, qui permanence qui ngeen été sur l'avenue Malixi. Sy ak je viens adhérer Personne ne personne faire. c'était une sorte de conviction donc parce que mon position je pense que c'est une position qui est ne bu ci toogoon tey li ñuy wax mais nag munoo contre Abdoulaye en 2000 yàlla jox ko contre gi en 2000 nga retrouver dans l'opposition tego ci ben at nga ni doon damaa jum damay delluwaat parce que man nguur la gem dommage non yalla moy joxe et puis fu ñu gëm moo tax daal muy dellu yëguma ko maa ngi Paris journalistes yi ñoom ko yegal j'ai considéré que bo mako joté yefam lérul yeg yëg bokkuma ci te man mako représenter partout en Europe pas uniquement en France je ne suis pas mêlé j'ai préféré lu ñu la boolewul bokko ci lool taxaw gor la man bay ko. seetlu nañ ñi tam président Macky Sall. Mhm. coalition bu mu njëkk a samp. Mhm. bi mu tàggali ak Ablaye Wade muy ànd dekkal ngor. Mhm. Euh, est-ce que loolu mo taxone nga fekk ko c'est-à-dire valeur de ngor. c'est vrai que dafa dafa dafa dajé dafa dajé dafa daje parce que bo muy créer dekkal ngor nekuma won ci coalition bi parce que Macky 2012 defe naa juddagul. Euh, Macky 2012 mi ngi juddu en fin je pense 2011. bi nga xam ñi ngi jëm ci élection présidentielle 2012 nga xam président Ablaye Wade bëgg na def ñettelu rakka nga xam ni constitution bi may ko ko coow li bëri ma ñëw comme moom nu mu déposé candidature am ci PDS man ma sama candidature parce que man Sénégal dong ma ñor euh, Yalla def ñu dajé ci ay euh, nu mu tudd ci ay vision ci ay programme ci le fait que ñu bokk même génération le fait également que programme mengo méngoo la lay wax non mais également le fait que bu ñu tasaaroo xam nañu ku nekk bëgg nguuru le président euh, Ablaye Wade allait encore remplir ñu nekkandoo benn pour l'intérêt du Sénégal Nous moo tax ma ak ñi nous euh, ensemble sans condition parce que moment boobu ils sont partis avec des conditions très claires des ils sont devenus même des ministres ñun sans condition nous l'intérêt du Sénégal Il ñu a le def jox en 2012 Nous ñu paree juste les élections man dama jël samay bagage dellu liggéey y a deux ans kenn au Sénégal ñu dit « ah Moussa fu mu jar je ne ko man que ma bëggoon que li nga xam ne constitution bi moo wax la grande charte ñu respecte ko le fait qu'on ait neutralisé Ablaye Wad le PDS c'est déjà une victoire dem 2014 le président euh, Macky Sall woolu ne ma Sénégal moo la soxla j'ai hésité li may wax li am na ay témoins ñu ngi toogoon euh, ñu hésité et j'ai été convaincu par la suite par mes proches qu'il fallait être aux dispositions du Sénégal loolu moo ma delloo si ba ma jox ma li nga wax nii Dakar dem dikk euh, toog naa fa juróom-benn at ak benn euh, waaw at euh, ak six ans et demi kenn déggalu ma fa lu ñaaw kenn déggalu ma fa détournement kenn déggalu ma fa malversation financière euh, un franc manque ci rapport yëpp ñu def je pense que bu fa manqué won dara le président Macky Sall du loupé lorsque je me suis opposé au troisième mandat mais restant sur le thème de and gorbe rek je ma bëgg wax ni lo xamné dal daal tegul laluwul ci dëgg man duma ci and dafa mel ni loolu moo juróon sa tàggalikoo Ousmane Ngom. Mhm. parce que ci principe nga doxé exactement bi mu démé xeex Ablaye Wade ba jëntel gi mu and ak mom nga bayiko ko fa dem. te mhm. yoonu bop gis nañ itam président Macky Sall bi mu demee ba yóotu troisième mandat yow bi nga xam ni ñu bëri ñemewuñu wax seen xalaat yow da nga dàq mbiru troisième mandat mel na ni daal yow loolu moo lalu sa koo àndal rek dem ba nga xam ni wax dëgg yàlla gis-gis yi wute na doo hésité benn yoon wax li nga xalaat bàyyi ko fa berse yoonu bopp duma ma hésité Momar parce que ku ma la waxee Sénégal la ma ñor jarul ma koy wax sax ci nit boo bëggee xam jëkk jikkoom dëgg bu ko topp ci ay waxam sax top ko ci ay jikkoom bo tege 3 actes rek bu waa tege 3 actes da nga xamni ki waxo waxam ak jëfam est-ce que may nga woon. olof yi loolu la wax. nee nañ nit du ni mu waxee waaye ni mu jëfe la. lu mu jëfe la lu mu jëfe la lo tax dal euh, comme ni nga ko j'ai pas hésité xam nga ni en tant que directeur général d'une société aussi immense que Dakar Demdik euh, Dakar Demdik rek ci biir capitale sénégalaise mais Dakar dem dik yóbbu ko partout au Sénégal avec le Sénégal dem dik bi ngay wax nga xamni zone yëpp Sénégal lañu ñu ci euh, yenn région yi sax di leen fa jaxal ay réseaux yo xamni day daw ci ci bir fofu euh, dem ko aussi be def ko Afrique dem dik mu commencer par la Gambie mon naroon ko yóbbu Mali pour mu jàll Côte d'Ivoire mais pour des raisons de sécurité j'ai interpellé le président de la République ne ko non nu def ndank parce qu'il y a trop de problèmes de sécurité entre le Sénégal et le Mali euh, j'ai considéré il fallait ralentir un peu pour la sécurité des usagers donc le ñuy def ni nga ko teg ci dëgg yàlla dëgg la bëgg regarder sur privilège euh, rappeler rek ni je may au président Macky Sall qui est mon grand frère que je respecte mais je n'ai pas d'amis en politique j'ai des compagnons j'étais sous décret c'est-à-dire que suis suis ba ma may maire de Gambou, ce qui est le cas de plusieurs personnes je ne veux pas citer mais il fu mu la fekk qui ont la bëgg nga wax bul xol say privilège sa salaire bi nga am ak yooyu xam nga ne Dakar Dem c'est pas moi qui ai inventé tout mais c'est mon successeur qui est sorti pour dire que à Dakar Dem les salaires des DG étaient de 5 millions net waxuma la les privilèges et d'autres côté santé sécurité sociale et tout cela mais loolu la dama ko jël tek ko feulé le président waram bala mu jël mesure hmm. ma ko ah président luñu waxone askan bi man la fa boobu ñuy boobu ñuy je me rappelle sur la plage de Cambérine boobu ngay def sa déclaration de candidature presse bi yëpp toog nga ni yëf jullu tabaski non au troisième mandat euh, raka bu njëkk bi kabar bi ñaareel bi salaamaaleykum boo ci teg rek subhanallah donc pourquoi moom mu toog bëgg changer li mu waxoon boobu mu taxawee parce que boobu mu taxawee c'est Wade qui était assis moi j'ai considéré que dafa rafetul le moo tax affaire ngor dafa si war a dugg mais éthique aussi le moo tax ma ne éthique ak politique ñoo bokk ndeg bàyyi je ne suis pas politicien ça se voit mais je suis politique mooy damay lu lépp loo xam ne sama réew dafa nekk fi question bu ñu war a débattre sama xalaat war naa ci bokk et je n'aime pas dans un match de football toog ci tribune bi mais dama war a nekk au rond central du football. Mhm. ñu fàttali ñu fàttali itam ni candidat nga woon. Mhm. ci élection présidentielle 2024. 2024 tout à fait. demoon nga sax ba sàmmonteeg lépp lu ñu war a candidat. exactement. mais yàlla def nga jëflanteeg yoon. Mhm. ba mujj la antu. exactement. Euh, après nga dem ci le président. d'accord Quand kañ nga dem ci président, président ak lan moo motivé motiver nga beaucoup ci coalition pour rappeler rek ne li nga wax muy en 2012 j'étais candidat je moo déjà dit que euh, le président Macky Sall ba mu ma dans mon programme et dans ma manière de faire la politique. Mhm. En 2024 également, j'ai émis le souhait d'être candidat. louard candidat de Farnac. moi j'ai la décision du conseil constitutionnel bu wane mandataire il ne faut 48 000 par an euh, concernant euh, la caution chaque euh, à ma banque à la BN2 le fait que nous arrêtons le 11 nous avons clôturé le 26 vous vous souvenez Qui n'est que prison il est présumé innocent il n'est pas condamné tout à fait d'ailleurs le président de la République aujourd'hui Bassirou Diomaye Faye était dans les mêmes conditions que moi effectivement en détention effectivement. il a pu déposer effectivement man bon, ma mandataire demal le chèque bi pour nga déposer mi ngi banque banque mi koy xaar nga ne prison mënoo signer Emprunte, ma defar lépp jox ko régisseur au niveau de la prison pour ñu dem jëliko ñu dañ koy yónnee juge d'instruction juge d'instruction jot nako né buma ko joté légui je vais le transférer au procureur pour avis le procureur boo ma ko que dafa né être moy président de la république Ce n'est pas notre priorité donc dafa bayyi bé forclusion am le 26 empêcher quiconque jël l'affaire bi dem déposer c'est la raison pour laquelle le conseil constitutionnel jël décision né le dossier incomplet donc procureur lu mu def noonu du yoon. loolu moo la candidature. loolu mooy combat am ndey combat amul ndey sax en quelque sorte. effectivement et je pense que euh, présomption d'innocence am na ñoo xam koy jëfee mais xamuñu ko loolu moo tax nit bu waxee ak nu muy jëfee nga xam le procureur en tant que magistrat je pense que euh, warul woon doxalee noonu mais peu importe boobu ma ñu xamee ñun waa ànd gore yi que bloqué nañu suñu candidature dans ces conditions là mais laaj na nous participer activement à la vie politique et non que des spectateurs. Nous avons pris la décision, euh, nous rencontrer Aïb Dafé qui est venu nous voir à la permanence croisement 22, euh, accompagné déjà de Bacheli qui est aujourd'hui le DG de la PIX. C'est Moi, de la prison, j'ai écrit à mes compagnons politiques, Nélène, du fait qu'à 80 et quelques pourcents, sur des programmes, presque même, même chose là, à des différences près, et que nous appelons à la rupture pas au changement seulement nous devons nous ande. de sorte que ñu entre. jàppale le candidat euh, Bassirou Diomaye Faye foofu la ànd bi commencé ba tey yàlla nous jox nañu victoire le 24 mars muy y bu une importance parce que depuis le la jàmm le Sénégal parce que li fi été tamit ça dépassé l'entendement à bien voilà donc moo tax ñu ànd ba léegi ànd boobu tamit di nga koy def ci ànd gor. yaa ngi koy jund léegi ni que à partir du moment où 80 pour cent. Mhm. ci seen ñaari programme dafa méngoo. Mhm. ci loolu la ñuy taxaw. exact ana rek ci ponc yu ndaw yan point de convergence ak yan valeur ngeen partagé ak Pastef ba ñoom bi ñu taxawalee seen candidat ngeen dem fekk leen ànd ak ñoom. benn bi d' abord ñëpp xam nañ ko mooy justice d' abord parce que président Macky Sall il faut le dire si muy jël en 2012 lu bëri wax na ko fi nee nit comprendre premier mandat de 2012 à 2019 presque il était dans le cadrage de lu mu redresser wax redresser pays bi croissance bi euh, permettre aux plus faibles équité territoriale lépp gis mais ba moi, amee deuxième mandat benen nit lañu gis d'ailleurs je rappeler rappelle, muy prêté serment en 2019 euh, à Diamniadio première chose moi Sénégal du ñun Sénégal man la je n'ai même plus besoin de premier ministre pour may je n'en veux plus à part de maintenant ñu teg démocratie bi suuxee ko wax ñu la wala ñu rendre la inéligible gën accentué mu un neurone pour tout le monde mu pas dans une coalition alliés n'ont plus de parole d'ailleurs c'est ma déclaration de à CNTV, je m'oppose en troisième mandat j'ai bien dit je ne viens pas ici en tant que directeur général je suis chef de parti pour vous dire que je bi un et puis justice je suis un ku ma donc l'Olu je suis sur beaucoup de choses un procureur de la République Enquête un dossier sur Ousmane Sonko candidat et chef de parti entre-temps nous nommé président de la cour d'appel mu quitté parquet juge debout dem juge assis du siège bëgg le dossier bi le l'histoire Prodac vous vous souvenez il ne peut pas en étant parquetier être en même temps dans le même dossier le juge du siège c'était incompatible man pas le fait que j'ai dit attention je l'ai posté ça ne peut pas kuy enquêter mënul instruire kuy instruire mënul juger Qui juger de mon mooy exécuter la peine Donc, pour vous dire qu'il y a des choses anormales les décisions de Faye de de Chor, les décisions du juge Chor à Dakar ni c'était une violation flagrante du droit Nous sommes donc sur ni ñuy lijjante réew mi mu tegu ci yoon fii rey nañ fa ay nit kenn waxul des jeunes nous loolu yëpp dañu des gendarmes ont disparu filbert euh, Sambou et Didier Badji kenn xamul ubbiwuñu sax enquête dañuy naan nii rek mais defuñu lu ñu war a def jabaram xeex na ci ba ñàkk bakkan y a des choses yoo xam dans ce pays il faut ñu leeral ko des armes ont été achetées indi ko fii ci réew mi te man je constate que ces armes ont servi en juin 2023 à tuer les enfants parce que première manifestation en 2021 vous avez vu ay y la gars yi amoon ay pick-up sans immatriculation c'est nervi alors que nervi le président Macky l'avait combattu sous jazz, à la mairie de de de de de Jazz à Baobab donc mon bu demee ba léegi ñi ngi ay armes ay milices nek ci mbedd bi justice bi deful lu mu def pour enquêter même pour arrêter ça ñun dañu il y a un problème Bon, and ak nguur gi tu ne risques rien tu peux trafiquer des billets de de de banque quand hein, même un député vous voyez ce que je veux dire y a un kër qui te dit ana dossier parce que da nga ànd ak ñoom boo àndul ak ñoom c'est facile ñu jël boo amee doole tamit wala nga nekk yax bu rëy mooy la justice à trois vitesses bi ma doon tudd gars yi ñuy xool bu baax na la lay téye c'est la raison pour laquelle je considère que eh, bu ñu bëggee d'accord sur lenn mooy ñu jubbante Sénégal ci justice mais pourquoi ku nekk nee na mën a mën di naan ñun la ñun la Monsieur qui qui est le mieux placé au lieu maintenant nous vous dites quand kon daal la justice. justice dañ ci am bokk na ci pànk bi nga xam ni moo tax nga ak exactement. te boo ci boo ci boolee loolu ñaar la bonne gouvernance reddition des comptes. j'ai toujours demandé et le 9 décembre je vais def sama programme euh, présentation de programme d'ailleurs il faut l'histoire du diamant j'ai dit, je demande à ce que tous les rapports de la Cour des comptes soient publiés, y compris le mien. Euh, euh, euh, tous les rapports doivent être mis sur la place publique. parce que c'est quelque chose qui entre. C'est vrai qu'à que parce que c'est un peu long. C'est un peu long. Je Le président de 2019 et 2023 rapport des corps de contrôle tegu ci cour des comptes mon guéné table bi un peu de l'OFNAC de 2017 euh, je pense jusqu'à 2020 21 22 23 on n'a pas encore vu pour la cour des comptes on n'a pas encore vu les rapports de l'IGE parce que l'IGE a fait des rapports y compris dans l'histoire de l'octroi des deux blocs euh, du pétrole à Franck Timis rapport 94 2012 que j'ai et tout comme une atteinte à la sûreté de l'État. Je l'ai. Et je l'ai brandi à la presse, devant, devant vos... Ragoulou Kasso. lu ñaaw bu la oui mais uniquement cher pour que ce réu, tegu ci yoon parce que mon mon mentor ma référence c'est Mandela tout d'un ko c'est sama mon ans Mandela tout Nelson c'est pour vous dire que l'Olla la gëm ñu également sur ce point donc de la justice et de la bonne gouvernance. La bonne Sur l'emploi des jeunes et l'immigration, qui sont quasiment liés, sur le programme également sur ça, nous avons sur priorité. Parce que nous avons projets, des programmes triennal 450 milliards, Kayundawi, DER, ANPEJ, Tassaro complet, mm-hmm. n'ont pas donné des effets réew boo xam dañ fa trouver pétrole gaz ak leneen loo xam ne manqué wu fa le diamant zircon manganèse boo xam ne dinaa si tout à l'heure bu ko temps bi permettre ñu gis ko fii ak Kidira ñu koy exploiter depuis des années mu nekk valeur lu ñu fi exploiter muy jaar port di génn fii 20 milliards 513 000 tonnes de manganèse avec des ingénieurs, Macky Sall nee na mosuma ko yëg kooku c'est un scandale donc ba mën jamaa ñu ne ah fan la fi je pense que les choses sont classées parce que le rapport, le, communiqué également du gouvernement à travers le ministre des Mines, Omar Sarr Blamoudem, oui, Moussa Diop a raison, il y a, un permis d'exploitation. Exploitation, beaucoup de gens ont trouvé on parle d'exploration et de recherche. Deuxième point, mais en également, il faut réduire, rationaliser les moyens de l'État. C'est vrai que Abdou a parlé moyens d'État, d'État. Mais il faut rationaliser parce qu'il y a qui de et nous avions considéré que le gouvernement ne devait pas être pléthorique. Moi, d'abord, je 25 ministres plus 5 secrétaires euh, d'État. On a salué. Mais moi, la qualité des personnes, une fois également, j'ai applaudi. Moi, côté bobo, quel monde Nous également que des audits sont lancés sur certaines choses qui se sont passées ici, dans le fossé. C'est vraiment autre chose qui s'est passée. Donc, l'OLIEP, si euh, période sans jour, nous sommes d'accord, nous avons fait bon y a des points de convergence. Ah, sur la gouvernance <laughs> sur la reddition des comptes sur l'emploi des jeunes. sur le redressement de la justice. sur ngeen souveraineté alimentaire ok donc comment euh, xam ma nekk ki nga presque l'un de façon imagée droit de vie et de mort surtout ceux qui bougent ici sur le plan actif professionnel nom aux emplois civils et militaires Macky Sall avec Fumuton je l'ai regardé dans les yeux comme l'avait fait De Gaulle euh, le 18 juin 1940 exilé à Londres Hitler di Pétain s'est couché à collaborer mais bon, il faut savoir lui dire non sans ses non avant en mettant les formes mais les béni ils qui sont les nga disent deuxième quinquennat des le la neex na sa mais on les voit aujourd'hui Ridicule, qui s'entretuent entre eux qui s'injurient entre eux j'ai vu même quelqu'un qui était ministre de l'éducation nationale enseignement supérieur démb di tirer sur Macky sur un autre plateau Gâché Molendal, la famille Faisal, c'est du tasaro complet euh, loolu mooy wan nit na c'est la raison pour laquelle je considère que man si c'est non c'est non même après les législatives de 2022 j'ai rencontré le président Macky deux fois il faut revenir à la famille là je suis rendu presque minoritaire il me manque une voix Je ne troisième mandat ou pas non il faut pas laisser le pays entre les mains de d'aventuriers

nous considérons que l'Union ñu waxante le Sénégal bo xamni et réduire vraiment le train de vie de l'État et redresser ce pays et faire de sorte que le président de nous avions mis également sur le programme que Moussa Diop c'est est candidat et président il ne devient plus président du parti euh, nous avons c'est ça lan lañ d'accord on aussi et c'est tellement d'actualité ñi di il faut que comprendre oui nous avons un premier ministre hyper puissant entre guillemets. il éclipse le président de la république. wax nañu ils n'ont pas lu le programme de Diomaye président suñu programme bi ñu tek lan lañ dara c'est parce qu'aujourd'hui on n'a pas encore la majorité à l'Assemblée nationale motax tax ñu dérouler d'ici quelques temps on va dissoudre l'Assemblée nationale on va dérouler les réformes yep. point il fallait nous créer vice-présidence oui non Si on vice-président c'est plus fort encore que premier ministre parce que nous sommes d'accord nous sommes di et je considère que ce n'est pas décent dans les trois mois nous période d'observation de grâce ni nek pas commencer de tirer dans la tout va pour exister parce qu'il y a les législatif qui existe. Je connais euh, les raisons pour la nous avons Mais nous sommes Sénégalais, nous sommes Sénégalais, nous sommes Sénégalais, nous sommes d'accord que le président au Sénégal est hyper puissant. A trop de pouvoir. Moi, du Hyper présidentiel. Ouais. Alors, si le président a trop de pouvoir, nous sommes éloignés. Diko, diko, diko, diko, diko, diko, nous regarde dans la même direction. Mais il est où le mal ça crée même plus de transparence pour yo le lu la. non non amul président jël ci ay c'est sedd premier ministre le premier ministre premier ministre gën a am taxaway. Diko exécuter pour mom. ok di exécuté exécuter pour le Sénégal diko alléger di éviter hyper présidentialisme boobu ñu wax mais ça fait partie d'un programme qui est appliqué. Tay buñu amone majorité tay le poste de vice-président allait être créé parce qu'il faut euh, une majorité à l'Assemblée pour une nouvelle institution unique. créée. le Haut Conseil des collectivités territoriales la, la, le, encore, le truc sur le dialogue des territoires. Nous avons aussi le euh, Conseil économique, social, environnemental. Yoyep, ces agences budgétivores, il y a des il y a de quoi faire. Mais beaucoup de gens majorité à l'Assemblée, ils ref pas Je demande vraiment à cette majorité mécanique aujourd'hui, à travers le président Macky Sall, euh, moi, majorité de qui ne correspond plus à la réalité vous savez, la réalité sénégalaise depuis le 24 mars, il y a une nouvelle majorité qui est là, qui a battu Gifitok au premier tour. Et au premier tour en Afrique, je n'ai pas vu un régime assis, nous dort au premier tour par l'opposition. Deuxième tour, mais ça veut dire beaucoup de choses. Bédiam n'est annulé ou réformé l'article 87 de la Constitution. Mais attendez, moi là, quel le dissoudre Moi, beaucoup de Je pense que le président Bassour Diomaye Faye est intervenu en échangeant avec le président de l'Assemblée nationale pour que DPG bi am. tension bi et que nous continuions ci liggéey effectivement mais mais y a koy wax qui yaa ngi constaté quand même sur la rédition des comptes une certaine lenteur. Dieu que c'est qu'il y wax. Sénégalais yu bëri seetlu nañ ñi wax rédition ci mbirum des comptes. Mhm. dafa xaw a yéex. yow lan nga attribuer lenteur l'antérieur. lu waral lenteur d'ailleurs euh, même que j'étais sur un autre plateau j'ai dit je m'adressais au président de la République ne ko rapport IG yi nga souvent dañ ciy def ay secret défense ak yooyu nga xam surtout parce que moom boo muyul demander aux Sénégalais sur l'histoire de la transparence et de la reddition des comptes dafa je demande à ce que tous les rapports avec un grand T soient publiés waxul SOF bi waxul CENTIF waxul OFNAC dafa ne tout tout boobu nag français pour comprendre je demande aussi que l'IG mette sur la table tous les contrats je dis que le contrat 94 2012 sur Franck Témis il na yeneen ko tégué ci table Macky Sall dootu fi parce que le rapport je l'ai signé par Gallo et Omar Sarr deux IG e, le 21 septembre 2012 ce rapport là il faut enquêter Petrosen wax dans les conditions de Franck Timis notre pétrole Frank Franck n'a jamais déposé un dossier à Petrosen. Or, qui veut un contrat pétrolier va le déposer là il faut déposer. Tout à fait. L'enquête a dit qu'il n'y a pas de dépôt. Il faut que le bureau Macky Sall vienne nous faire affaire sur feuille. Feuille, ça vaut 2 milliards. Nous avons des banquiers, nous sortons coco. Nous partageons le reste. Les commissions, c'est ça. Il a été trouvé aussi des dessous de table, une fois versé. Il y a Karim Wade est mêlé. Ibrahim Mboy, le DG de l'époque de Petrosen, est mêlé. Le rapport dit qu'il faut les arrêter. La justice doit euh, intervenir. Macky Sall Lumfadef, en utilisant également son petit frère qui était à l'ambassade du Sénégal en Chine, à le créer une société Bundaou, Petrotim, comme Sénégal, machin. nga xam le petro team en tant que tel bu mag bi bu Sénégal boo gagné marché Mo mag comment un bébé peut être plus âgé que sa maman c'était de la tricherie <laughs> à haute voltige léegi nag constitution bi dafa ne constitution sénégalaise au niveau 25 article 25 tout ce qui est ressources naturelles appartient au peuple et teg ci foncier ak ressources naturelles liñ et transparence mais transparent dafa and ak jël décret ne dëpp leen affaire bu ko kenn xol wala defoo jam et pare mën nañ jógee fii dem sa yoon dans ces conditions et ba muy dem aussi Momar vous avez vu les conditions yu mu demee ñëw fii jëla ñu ay contrat yo xamni day ray économie sénégalaise te yo xam le 24 mars au président pourquoi dire les charges de ton successeur mom dinañ ñëw ci moom léegi demam bi ak li ci ñenn tout à fait mais euh, ñu taxaw ci

qui face à face avec la population sénégalaise à travers euh, la confrères Nena, na de compte des am droit des am règlement de compte mon du Fayanto mota Il y a ces hautes autorités dont des directeurs généraux ils ont un comportement au Sénégal pendant cette période si le Sénégal viré dans le drame ils auraient une responsabilité Nous ngi un poste ba depuis trois mois bu le président dafa président, pour Tout duñ fa Président parce que le papier ne refuse jamais l'encre Si vous big sax sànni ko ci kawam dana point il suffit de signer seulement vous souhaitez le temps même ñuy sét ku fay nek le SG bu fa nekk dana def les affaires courantes bu fekk lolu moko joglo amna am ñoo <laughs> am sax temps dem de sangouji mais nekk di nek ci réew mo xamni néna mom na day jubbanti euh, parce que boy jubbante moy am na jubul won woon lolu moy do de la coalition jomay président euh, mais nak comme ni c'est la vérité tey bu ñu demee ba ñenn ñi di démissionner di kokkali président de la république nekk ci plateau yi di yuuxu di démissionner parce que xam nañ di dem tawuta mais dafa fekk ni yow boo wootee rupture ñoom ñu ne faale wuñu rupture ku fi nekkoon la ñu gëm nekk fi toujours ay directeur général ak yenn euh, poste de responsabilité xamal loo tabax bëccëg su guddee ils vont ils vont l'appliquer à leur rythme moo il urge mu teg fi ñoo xam qui comprennent et qui sont d'accord sur cette manière boo xam ne sénégalais yi que avec 54 pour cent il faut rompre parce que nag bu continuer les sénégalais ils sax duñu comprendre parce que sénégalais vous bu fekkee dañ fi jëlee ñoo xam ne ñoo yore woon mbir yi mhm. tabb nguur gu bees ñu ngi xaar quand même ci poste de responsabilité yi mhm. ñu teg fa ñoo xam ne ay kanam yu bu ko defee loolu sax moy gën dalal sen xel. ñu ñu bees certes mais ñu ko ñu ko man ñu ko man effectivement. ñu ko man ñu ko man maté ko diko def. bon je pense que mo ngi ci tenir compte parce que hier y a eu benne vague bo xamné amar na euh, waaw waaw y a eu déferlante hier. Mhm. boo xam sur beaucoup de postes y a eu des changements. et je pense que si rythme bobu lay jël pour que yefi mëna mën a gaaw. waaw ci loolu. waaw yow da nga fi nekkoon njiitu Dakar dem dëkk. waaw nekk membre de la coalition Diomaye président. Mhm. nekk ku ràññeeku itam ci langue politique bi. Mhm. ànd ak ñoom bokk vision bokk programme mhm. daanak mais ñu gis ni boobu ba léegi itam amul benn cër gun la ci dénk ko lu tax mu yéex lu waral yéexaay boobu. Momar oto ki nekk au volant mooy dawal. loolu am na. à moins que mu nekk oto boo xam ne di nga ko dafa am télécommande. dans ce cas là qui n'est qu'au volant day jàpp-jàppalu rek mais <laughs> c'est la voiture est télécommandée Taï, l'état du Sénégal moi, je suis un euh, petit homme d'état bu faites qu'on daf ma ràngati je ne serai pas parti dem Vous wala bu ma fay jógee promotion moo mon yobu feneen parce que je suis un ak qui a ci benn poste euh, bariwula ah c'était dans l'intérêt du Sénégal parce que moi je ne travaillais pas pour Macky Sall je travaillais pour le Sénégal je saurais lui dire non quand il le faut qui ma fait remplacer à Dakar il s'appelle Dam Diop non Ça m'a ñaari at matu sax 2012 2014 2014 man def fa sénégalais je suis fier de ce que j'ai fait là-bas pourtant il est passé nek ministre man on m'a laissé au même poste Je la nek nek nec, béy bés bu ñu may kii te yàlla xam ni <laughs> xeeb li fa def Dakar Dem Dikk ko bu baax maintenant le pays est entre les mains de celui ko xam ñun ñoo choisir teg ko fa composer ses équipes faut pas lui forcer la main il a commencé il faut le laisser voir regardez am na ñoo xam tamit position c'est de dire le mot bokkul rek barou je ne suis pas dans ça j'ai un métier le Sénégal je le tiens à cœur contrairement à celui qui dit que je l'avais à cœur. <laughs> le Sénégal à cœur. <laughs> ba nga xam ni bu doxalee rek nga xam ne il a pas le Sénégal. dafa bindoon livre sax. livre voilà dépense pas 65 ba xam nga li hmm. donc pour dire donc ni ñu bàyyee fi rek ci ñi nga ni ñoom la fi yàlla teg ñoom la fi peuple bi ni ñi avancé et puis bés bu ñu décidé que lo xamné man attan ko mën naa et puis wane naa ko voilà j'étais candidat à la présidentielle. li ñu pas manque de vision moo manqué. effectivement je pense que xex ba dem prison. Ah ah. je pense que bu wax jotee nopi ce que la non au troisième mandat ñu dakh la. tout à fait comme on a viré également Ousmane Sonko. Hein. <laughs> ci Ousmane Sonko sax seetlu nañ ni laata tax ngay nekk en alliance ak moom. Mhm. mosuñu la dégg quand même même bi mu nekké ci jafé jafé nga attaquer ko est-ce que da nga mësa japp ni yow mom il était victime d'un complot non xam nga dañu bokk lu bari mom la lay wax sank question bi boko poser day wone ni dañu bokk lu bari ba nga xam da ngay fàtte les détails parce que il faut pas qu'on soit des détails. On ngay dire l'essentiel dañoo d'accord rupture ak li fi nekkoon d'accorduñ ci muy xeex à sa manière man may xeex à ma manière même à l'intérieur de ben bokk yakar bo xam ne gëwuma leen woon man Macky 2012 la gëm parce nit do baye be mu jël la nga koy fonto ci lamb mu yëkkati la ba ci kaw teg ci suuf lamb euh, ngemb gi jaar ne ndomb gi jaar na ngay doog a naan mooy mbër qu'est-ce qui est passé tous les candidats là qui avaient dit que Macky Sall c'est du Wade bis c'est du euh, Wade sans Wade ak yooyu yëpp ils sont retrouvés ñëw écarté la ñun ñu ngi yoo xam ñoo yóbbu Macky Sall au deuxième tour ne la ñun ñoo leen ci gën a yelloo daal vous voyez je ne veux pas sauter de nom mais xam ngeen ñëpp ñu fa nekkoon donc pour toutes ces raisons là je considère que dañoo ànd sur l'essentiel et une vision vision bi nag gis-gis mi ngi ci wax ci parce que ñu ngi dégg ku mais aussi Jeff bi Ousmane Sonko a été radié de la fonction publique par décret en raison de ses positions j'ai été limogé par décret également en raison de mes positions il s'est battu prison, prison. prison fait fekkante prison les trois grands leaders qui sont retrouvés en prison c'est Ousmane Sonko Djamaï et moi am ñoo xam ne bu doon gën a naan ne tuy ñu duggaat seen oto dem seen yoon. je vous fais pas un film xam nga fu may waxee. gis nga bu xeex jotee da ngeen di xeex. intelligemment du ñàkk nag ñu am ay points de divergence tension Momar man boo xam sama tempérament bu ma commencé di nekk un Suisse neel yow politique parce que di yow bi ma xamoon na ah. le président du PASTEF aujourd'hui premier ministre du lépp d'accord nag peut-être ça vous a échappé mais su ma la ko je fais partie des rares. nga ci il faut que vous dem wuy ji. Euh, ah yaa ngi euh, <laughs> mais lolo, du waroo sax. c'est-à-dire da nga wax position. non divergence là. divergence là parce que tout le monde disait non bouldem, dem non bouldem. dem j'ai considéré que moi je suis un homme d'État. Mhm. bëgg soube en tant que candidat aujourd'hui su ma gagné l'élection je suis par exemple la première institution ou bien l'une des institutions pour faire fonctionner les institutions au Sénégal bëgg naa ku ñu veut mu nous de justice mais ce ma toogee en tant que candidat oui, way du ma dem yàlla jox ma nguur gi ma dem ñu woo keneen comme Bah Diakhaté su ko mu la jurisprudence moom lay appliquée. je n'irai pas venez me chercher voilà moo mon ma attention dina xalaat suba et yàlla li ma doon wax moom la def aujourd'hui je considère que en tant qu'un homme républicain et de de d'État respectant les institutions bu ñu la justice da nga de encadre-toi bien défends-toi comme il le faut et d'ailleurs sur ce point-là je dis euh, le 7 6 février 2021 vous savez il y a des choses qui sont passées ici hein. Bon, mm-hmm. l'histoire du complot bu ñu wax la boo xoolee période boobu am na loo xam moi, lan une accusation grotesque de viol sur la personne du premier ministre euh, euh, ancien président de PASTEF Bobololo, loolu Amnak amul coow li ñu affaire privée la mais ñu gis ni la nguur gi gars yi ci biir seen biir dugal seen loxo bu baax ñi jëli xam na ni loxo gi ci y a une euh, ancien DG dont le, le neveu était le conducteur. Nous savons, Djigen Bougen, Mounoul Tarbidetouram, Mounoul Conte, mais a rédiger une plainte avec visa des articles du code pénal qui parle du viol dans la nuit. Ce n'est pas possible. Il y a quelqu'un qui est passé derrière. On a vu et entendu des gens, ils sont mêlés dedans, même par des audios. Bos Bobo, Bobo a fait dama dama nous sommes le 7 février 2021 j'ai capturé ma page libre publié sénégalais j'ai dit mes chers compatriotes la théorie du complot a encore de beaux jours devant nous surtout en politique après avoir échangé avec mon frère Ousmane Sonko et écouté sa déclaration je partage toute sa peine et marque toute ma solidarité à son égard dans cette affaire qui pue la manipulation injuste et le complot politique la machine a éliminé les robustes et dignes têtes bien faite avant 2024 est en branle xam nga donc théorie du complot boobu dama ko Comment wax. gëmoon nga ni complot mm-hmm. les images sont là maman. Je suis tout à fait. nous sommes le 11 février la République. Je ma waxtaan ak moom en aparté nee ko ce dossier je suis se condamné j'ai accès au dossier je suis avocat. Bon, moi gisee les déclarations de la dame ak yoy nena ko ça un juge sérieux ne peut pas te condamner dessus il Il y' a pas de viol. Il y' a pas de viol Il y' a pas de condamnation de vol. après corruption de la. mais le fait qu'il se soit absenté. on a inventé une nouvelle infraction requalifiée à son absence en l'absence de ses avocats parce que bo ñewul tes avocats ne plaident pas donc ñee rek ñoo fa règles. Quand finalement li nga ko doon digal ah, des démons. ah demoon amul mais créel nañ ko fa affaire boo xam ni ba may naan demal demal demal bu demoon bés boobu bu inventer une nouvelle infraction ces avocats vont dire tout de suite nous avons le, nous devons avoir le temps de discuter de ça il faut renvoyer l'affaire dans 5 jours 10 jours ah oui parce que ça s'appelle en droit le principe du contradictoire mm-hmm. loolu ñu fa tek diñ ko wara waxtane mais nga ñew rek ci biir audience génnee bouteul ñu ne naanal man ko non je ne sais pas ce qu'il y a dedans mm-hmm. tu me permets de savoir loolu mooy le droit loolu bu demoon non seulement au principal, il n'y a pas de condamnation, mais également sur l'accessoire, un délit obsolète nous nous nous créer de toutes pièces pour nous dire bon écoutez il faut quand même qu'on trouve quelque chose pour le rendre inéligible ce sont des cas peut-être d'accord ou sur une manière de voir mais je pense que j'ai fini par quand même être compris parce que moi je ne suis pas politicien je suis politique et je veux que les lois de la République soient respectées c'est comme lorsqu'on manifeste également comme lorsqu'on fait une caravane, il faut une déclaration préalable. Je pense que les articles 96 du Code pénal sont là. Occupation de la, de, de la voie publique. déclaration sans autorisation mais beaucoup de sans autorisation Taï Mom, il est aujourd'hui premier ministre je pense qu'il euh, comprendra beaucoup qu'aujourd'hui ont tenir le pouvoir tey biir Sandaga bu fa nit ñi nekkee foofu yore seen ay moto di wër yokk bi doon sans déclaration préalable wala ay auto yu défilé on va les faire quitter de la voie parce qu'ils l'ont pas fait c'est pour vous dire que réew dafa am ni ñu koy doxalee les institutions l'opposition c'est une chose mais le réalisme politique et institutionnel c'est autre chose y rek mën naa fa taxaw foofu rek pour vous dire que mais suñu ànd ci dëgg lañ ko tout à fait euh, ñu taxaw tout rek ci Macky Sall le président Macky Sall am na ñoo xam ni une ngi bind benn pétition di sakku ci mom mu ñew parce que nenañ nañ ñi mu génne ci réew mi yaa koy wax sànq dafa yomb. Mhm. dem te rendre compte. Mhm. lo xalaat ci pétition bobu da nga yaakaar ne def ko war a jëli mu ñew euh jëli ñew suñ ko mëne def dañ ko def mais qu'il rende compte c'est le principe d'abord man ba may wax l'histoire des armes euh, Momar fa lay commencer. bi ñu téye ma ci j'ai fait presque trois mois de prison à Rebus. ma a une preuve palpable, indiscutable. les six commissaires qui étaient autour de moi j'étais seul en face d'eux mon avocat gérer dossiers pièce de ma faut c'est authentique ou pas Qui est fille, wax ngi gis une bu le document est authentique Il n'y ah, a pas de faux défis il y a les armes achetées à Saint-Pétersbourg indi bateau beaucoup indi dossier les documents officiels euh, ni ñu les immatriculations des cinq remorques là je les ai les chauffeurs qui ont enlevé nos dindi des yi ko euh, facture bi wala connaissement bi xam excès ku ñu si vous ñu waxee le kan adresse c'est marqué palais de la république le ministère de la défense fii Sénégal ministère de la défense mooy jënd arme un palais de la république c'est un pouvoir ce n'est pas l'état parce que l'état reste le pouvoir s'en va c'est comme Duvalier les Duvalier les tontons Makout. ni ñu ko banque bi ñu j'ai le reçu du paiement avec cachet de la banque xam nga loolu boo ko tegee si c'est gars yi du la pour fatou wax ji wàccee poussière bi mais du ngeen dem ci audience publique parce que xam naa audience publique boobu moom yow doo ko rate di nga ñëw taxaw déglu <laughs> di nga xam ne carrément li may wax yëpp am na ñii ñu rey nag à travers ces armes là ñu gis ay nit yore ay pick-up sol numéro 9 maillot rouge di tirer en collision avec notre police euh, certaine une certaine police président Macky Sall dafa war a répondre sur ça parce que nous avions un régime hyper présidentialiste. Le khalif général de Tidjan Nena Boufi Dokhyo, le Yakuyo. Donc, si vous avez la balle réelle de tirer des gens, donc Pierre Nako Khamne, sur le de permanence, les images, on les a. On voit le policier armé, tekouti auto, tirer. C'est devant notre permanence. Khale Bobo, si vous légitime défense, il faut y avoir une arme, il faut y avoir une paque dafa un pistolet non xeer te nekk à distance là-bas Il y a ce sous qui avait déjà menacé la jeunesse sénégalaise ne leen lan da ma en mars 2021 mais vous verrez li fi amoon dootu fi amaat tëkku na woon publiquement publiquement et ñu ñëw entre temps les armes sont achetées en septembre 2022 au ñu de juin 2023 il avait assez de choses pour pouvoir faire face mais xam na Sénégal de 2012 ak bidou de il a été contraint et forcé de reculer nous avons rey 60 soixantaine de personnes de jeunes innocents dont le chanteur Baba avec ses dreadlocks là dans ces conditions là avec d'autres et d'autres mais président Macky Sall dafa répondre impunité de fi mënul am donc ba mu nga ne damay baal ñëpp kenn laaju la njëkk bi ngay baale man de laaju ma ko maa ngi toog biir prison ne ko ñu dem tribunal rek mu ne ma duñ dem tribunal dinaa la génne ci suuf fàtt dossier bi suul ko te te juge d'instruction du la dégg Momar on ne peut pas libérer quelqu'un au Sénégal euh, ku nekk sous détention provisoire te juge d'instruction auditionné wu la moi je suis pas auditionné j'ai pas vu le juge Mamadou Seck jeew rek ñu la écoute jël say bagages nga jaar boor ba nga génn lu ñu nëbbatu j'ai demandé, et puis il y a un, de tes confrères, là je vais le citer, qui s'appelle euh, qui se permet, c'est vrai qu'il est en collision avec le régime, c'est son problème. Il raconte toujours des âneries. Je suis en prison, il sort pour dire Moussa Diop dafa djégoulou, dafa balo. J'ai sorti un communiqué à travers mon partenaire que c'est faux. Mon justice là, il ne m'a pas répondu, hein, il ne m'a pas répondu. Là, il gagné de voir des contre-vérités sur le diamant vous avez vu là également ça fait partie des hautes trahisons Mon le président Maguessal, de dafa oui. mon cher Nomar, Ça, la presse là. ce que maître Moussa Diop a dit. c'est il confirme tous ses propos et dépose des documents ciao Libari, vous voyez lol de Je figurer l'ancien ministre de des mines mu Ndiaye remplacé euh, Karim ministre de la terre ciel mer xaw dafa génne communiqué communiqué ba ngi fi ma def stabilo c'est marqué lan Moussa Diop lu mu terme employé dans ses correspondances la terminologie autorisation d'exploration ne figure pas dans le code des mines. Moi, moi, je raconte ma vie. Le mot même autorisation d'exploration n'existe pas dans le code des mines. Moi, il a géré les mines et c'est un polytechnicien mais il avait précisé de 2003 à 2016. 2016 dafa dans les comptes. Mhm, dans de 2003 à 2016 dans les comptes. or les mhm. comptes c'est 2003 2016 m'a ko remplacé. tout à fait le code est là c'est marqué 2016. Mhm. le code dans son article 7 dafa le droit de rechercher des substances minérales qui ne peut être acquis qu'en vertu d'un permis de recherche ou d'une autorisation en rouge d'exploration ce n'est le mot n'existe pas dans le code ma jox le code je nga lire le sa de l'article 7 qui raconte des contre-vérités maman d'une autorisation exclusive d'exploration tournez page pas encore l'article 14 du code des mines en rouge également là le mot est là non non, non, oui autorisation autorisation exclusive d'exploration qui raconte des contre-vérités c'est parce qu'il y a un mais la cerise sur le gâteau Maman la cerise sur le gâteau sur cette affaire là le 11 décembre nous Omar Sarr le ministre de l'époque des mines a communiqué pour m'enfoncer solidarité politique gouvernementale mais en essayant de m'enfoncer ils se sont tués parce que dans le communiqué au point 2 Omar Sarr qui est l'état du Sénégal c'est le gouvernement dit à ce jour, il existe deux permis de recherche de diamants au Sénégal, d'exploration, en cours de validité, ainsi qu'une autorisation d'exploitation semi-mécanisée, en rouge. Ouais. ku waxal un permis de recherche un permis ko en cours semi un permis d'exploitation en cours semi mécanisé Il y a un permis d'exploitation pour exploiter ça signifie que le diamant existe mm-hmm. mais dans l'article... 24 du code des mines L'article L'article 24 du code des mines le mot on va lire les le permis d'exploitation minière est délivré par décret pour une période minimum de 5 ans et n'excédant pas 20 ans renouvelable. renouvelable et tout décret doit être publié au journal officiel. Qui fait le décret? Le ministre dit qu'il y a un permis d'exploitation. L'article 24 il faut un décret. Ce décret devant être publié au journal officiel pourquoi il n'est pas publié il y a de la nébulosité et j'ai j'appelais à la transparence Ni, moi ma dara prison c'est pour vous dire juste que attention ce pays-là il y a des choses qui sont passées ici. maintenant est-ce que la loi d'amnistie ne vient pas effacer tout ça. Euh, y compris même pour ceux qui demandent à ce que Macky lui vienne répondre de ses actes la loi d'amnistie on n'est pas encore revenu dessus parce que man il faut que nous revenions dessus on ne peut pas tuer ces gosses là ba ne peut pas bon bu enquêter amnistie suppose un pardon un effacement un dépassement amnistie suppose que la vérité soit connue Mais qu'un di pardon à l'autre mais ana la véracité des faits ana euh, qui est l'auteur de ce qui s'est passé Ken xamul bu comme l'histoire de ce rapport de 94 2012 bu leen ko ubbi dama leen di baal par force tous les détenus politiques sortaient mais qu'on ne pose pas de questions. La loi d'amnistie c'est une majorité simple avec ce qui se passe à l'Assemblée aujourd'hui qui est démodé nous n'avons pas encore cette majorité qui nous permet euh, même simple d'aller sur la loi d'amnistie tout ce qui est criminel doit être vu parce que c'est des choses qui sont passées ici. Euh, je te donne également d'autres exemples, rien à voir avec l'amnistie. Pendant que vous perdez le pouvoir le 24 mars, et que des choses graves sont passées même avant le 24 mars, accusations de, de corruption, de juges, il y a des Parce que si jour dit,

Je vois ces images. ki ne yaa ko mhm. ak ki ñu ne yaa ko jot. waaw ñu toog di julli ndoo ensemble tabaski man de duñ ma jiñ dem mu may. tedd yeru liir. scandale à foison. su ma la jëlalee benen exemple. pour voir rek le président Macky Sall doit venir répondre Ni di def droit des entreprises parce que ma formation je suis fiscaliste et juriste d'affaires. Pour période d'observation parce qu'il y a une entreprise en difficulté y créé une période suspecte Moi, li fa def ce c'est pas clair nous avons rattraper dans le patrimoine de l'entreprise pour que créanciers un mën et fay ak fournisseurs mën si parce que euh, société le dirigeant peut faire n'importe quoi Mais il y mais yow gagné perte le 24 mars mais l'élégance en république pour alourdir les charges pour tricher mais tu viens tu signes en période suspecte Bobo, des contrats de plus de 465 milliards pour dire non c'est pour faire le dessalement de l'eau avec les saoudiens avec les saoudiens à quoi Power qui d'aujourd'hui a annulé le contrat avec le Sénégal a, bien fait je salue également cet acte posé par euh, euh euh, le ministre de est sous le, les directives du président hmm. de la République et du Premier ministre, nous disons que le président Macky Sall, et surtout ce n'est pas un contrat qui est négocié, un contrat, un marché, compétition au centre. Mais vous faites que vous avez nous comme dans l'histoire du pétrole. C'est du gré à gré mais fallait yi gré à gré de 469 milliards pendant que les gens ñu ngi rey seen bopp ci géej gi amuñu liggéey yéen ngeen di dóor rek kenn fekkeewul en période boo xam ni normal nga waroon jox ñi ñi ndox defoo ko Touba ngi ne amul ndox <laughs> pourquoi def ko ba moment boo il était vraiment dans son premier mandat ou son deuxième et dernier def ko ba bàyyi ba nga xam ne bokkatoo nga ñëw créer ces choses là xam commission yi kenn xamul nu mu toll manganèse mi ngi nii maa la ko doon wax à Kidira, il a été exploité 513 000, 530 000 même tonnes de manganèse. il a valeur de 20 milliards ils ont été ils ont été arrêtés mais comment ces tonnages là sortent du port d'Idem en Inde et ailleurs alors que la République du Sénégal souveraine par principe n'est pas au courant ce sont des choses que le président Macky Sall donne. ko dana ñëw expliquer comment ça se fait que si l'administration. administration parce que xam nga le Sénégal si Macky Sall di le pouvoir en 2012 Il y a 95 000 fonctionnaires nous sommes aujourd'hui à 171 000 et quelques fonctionnaires Il a presque le double le népotisme les recrutements politiques même ba Moudano, on a vu à la LONASE au port il y a qui. Nous, Nous a trouvé... Moi, je peux comprendre que nous ñu 3000 personnes yoo xam ne ñoo bokk tur ñoo bokk sant ñoo beaucoup même date de naissance euh, c'est possible Omar Ndiaye il y a bari, bari, bari, bari. bari beaucoup, bokkuñu dëkk mais c'est possible mais je ne peux pas comprendre qu'il y ait 7125 fonctionnaires qui ont le même numéro de carte d'identité ah ça <laughs> sama Non, il y a un problème. non ça c'est surréaliste c'est pas croyable c'est parce qu'il y a de l'affection Le motard, le premier ministre a jarul def n'importe quoi attendez il y a ces audits qui sont là nga l'exemple de Mbourkat Mbourkat nga avez fait neuf personnes neuf neuf potaches partagez 1104 terrains parmi eux il y a le président de de encore euh, du groupe parlementaire de de de qui son nom est dessus ni l'ancien ministre de l'éducation nationale son nom est dessus nga des maires de Boki leur nom qu'est-ce qu'ils font à Thiès pendant ce temps am ñoo xamne amuñ sax fuñu dëkk bi bërki dem gis nga dem force ay passage ci ay cité ñu créé pour wut fuñu am fuñu dëkk en toi. pour toutes ces raisons le président Makital devrait venir rendre compte. ma terminer rek ci biir Thiès rek Villeneuve. 34 mhm. personnes ñëw 16 16000 terrains 16134 terrains il faut que mu leer. Mhm. waxuma la nak la valse des passeports diplomatiques parce que je suis le dernier mot non voilà passeport diplomatique je suis le dernier mot. Mhm mais lu avec ses ministres voilà une lettre adressée par un DG à un ministre des Affaires étrangères. Un DG, a droit à un passeport diplomatique pour ses activités. Pour éviter de me dire les visas, il man ak sama jabar am un passeport diplomatique ce qui est d'abord anormal waaye am a aussi yeneen ñaari passeport diplomatique ça fait quatre dans la famille ce qui est un scandale waaye benn sama bi en 2021 passeport diplomatique je lis la lettre. Madame, madame, je dis trois fois le ministre. C'est mhm. monsieur de Khamkana, mhm. Je viens par la présence solliciter très respectueusement la faveur d'un passeport diplomatique pour mon fils, dont je tairai le nom. Ce dernier est le seul de mes trois enfants à n'a pas en bénéficier pour le moment parce qu'il est né il y a un an environ. Dans l'espoir d'une suite favorable à ma demande, je vous prie il met l'acte de naissance du fils. Le passeport diplomatique du fils est sorti. Il n'a pas encore trois ans aujourd'hui. J'évite la capture de mon bébé réagir, moi on connaît Calais. Hmm. Mais maman, vous voyez donc ça, ce qui se passe Non, c'est Cinq passeports diplomatiques pour toute la famille. Et des gens qui ne méritent rien du tout. Qui ne devraient même pas être au poste où ils étaient. Vous fait que la République était une véritable République. Ces gens qui sont tapés de terrain, son nom est là, la preuve est là, aux Allemands. C'est la même personne. Terrain, où ça C'est du coton. Donné, payer la taxe, nous Deuxième terrain, donné, nous signer Signé, Moufaï, ces cachets sont là je demande à cette personne de bouger parce qu'il est téméraire il n'est pas courageux. maître de yow xamna ni ne yow la rek ken du recc. et puis yow da nga yor say dossier. mais lu jomay di xaar ci côté boobu sur la reddition des comptes. yow say dossier nga yor. Ni mëna ko ta amugo ñu mbam. <laughs> dama né cette personne là su buggee turam génn nga xamné c'est il est le plus téméraire du Sénégal na ma wuy fi xamna xamna bopam xamna na boppam xam naa xam moom xam ne xam mais c'est quoi maître c'est c'est la déformation professionnelle de l'avocat c'est l'avocat c'est l'avocat c'est l'avocat. c'est l'avocat et surtout l'éducation moins diffamer personne Aly Ngouille ils m'a porté plainte pour diffamation ils ont reculé Beaucoup bëgguma tooñ Je man dire, beaucoup bëgguma tooñ mais je ne faiblis pas, je ne suis pas un faible. Je suis un homme d'État. Lors def une reddition je vais vous donner une anecdote ñu ko quand j'étais là-bas quelqu'un de qui m'est très proche xam nga très ak trop dafa am différence j'allais dire même quelqu'un qui m'est trop proche am j'allais lui couper la tête tout le monde s'est levé def barrière j'ai laissé tomber la mort dans l'âme m'a deret là ou non ça veut dire beaucoup de choses gis naa aujourd'hui tout ce qui était derrière Macky Sall dit tëb Dalfi, parce que xam nañ ne xam nga béy mom boko jëme jëmee abattoir day bari histoire. Pok mu mbee. on est mais man si Diomaye donne quelque chose c'est dans le cadre de reddition de compte nous avons attention Parce que vous au port hmm. un ancien à des milliards c'est Montagassi, je cite qui était dans ça c'est un ancien bateau turc là utilise neex une baisse c'est de la tricherie. Ils vont répondre. Il y a de ces exemples à foison. Est-ce que vous les bateaux là qu'on a achetés pour patrouiller sénégalais là, dans les projets Piriou, Macky Sall dem, jënd ko secret défense mon Mon Mon secret défense c'est loxo dit def comment je suis entré dans certains dossiers parce que sénégal bo fi nek di wax deug te set wetch dana am ño xam di lay fonk benil nan ki kii la ko jox parce que xam nañ yow ci deug ngay dé man munu mako def parce que bu koy def ñumay may kasso kaso te man ñamuma kasso mais comme ko yow ragal ragaloo kaso on te donne ça man duma togn duma wax lu ñaaw toujours diga diga diga ci def bon usage dans le projet pur il y a 32 milliards yo xamne ken xamul fu mu jaar hmm. c'est des patriotes lañ jënd la route là Ndjoum, Ourossogui Bakel y' a 6 milliards et quelques flottes qui xamul lu dem les autres points, il gis la y' a 6 milliards et quelques qui xam ne xamul fu dem le programme d'autosuffisance alimentaire 13 milliards et quelques xamuñu fu dem le gouvernement travaille les 45 milliards de l'armement au niveau du ministère de l'environnement hum, hum. <laughs> le dossier je l'ai avec le petit boubé là. maître xawma ma ndax gouvernement bi nañ la jox lu jege wala lu laale ak mbiru reddition des comptes wala déet mais kuñ ko mënti jox il a intérêt à ce mu approché wu ci yow. parce que yow moom say dossier moom. ma jox la dernier. Mhm. dernier dernier. tabax ay hôpitaux baax na pour askan wi. Mhm. ñeenti hôpitaux tabax nañ ko fi benn à Kaffrine. l'accident de Sikilo, ça vous a dit beaucoup de choses. Oui, c'était bien. Ok. tabax Ben benn à Sédhiou tabax nañu benn à Kédougou tabax quatrième bi à Touba quatre hôpitaux eu. c'est dans un programme que xam le président Macky Sall moo ko jël def ko marché va conclure conclure yow marché ce marché là est-ce que dit nga Bon, le portail des marchés publics du Sénégal nga tapé le numéro le numéro du contrat de may non vu non connu <laughs> Moi, ça n'a pas été fait l'objet d'une compétition su le gré à gré en directe def nañu lu raw ça s'appelle OSN Moi offre spéciale négociée Moi da ngay dugg ak Macky Sall parce que am na ko ne avion jet privé Vous voyez, vous ji bëgg na la gis mu ñëw ne la dama la koy jaay clé en main c'est quatre hôpitaux nga ne ko na ñëw ça m'intéresse mu ñëw wax ak yow balaa muy génn nga defal ko décret ne ko jox ne la ko xam nga man su ma des documents day c'est le ministère de la santé ça concerne quoi construction d'hôpital bii bu Sédhiou Macky doit répondre. Ces quatre contrats ont valu au, euh, à l'argent du contribuable 95,7 milliards. Migni. Société Biko Gagné, Ellipse Project SAS, Dek Ney sur scène, Dek Rue Bouinam, le jour se lève, dans le 92 chez Sarkozy. Ils mhm. ont gagné marché avec des tonnes de commissions cette société ces extraits cabis euh, mini. sont moi, son existence juridique au tribunal de commerce au greffe les contrats sont là la logique contrat Elix Project SAS Sénégal ensemble des parties et tout cela il est prévu en date du 8 décembre 2017 contrat Bob 8 décembre 2017 LS Project est la direction des infrastructures, des équipements et maintenance ministère de la Santé. sur un contrat pour la réalisation clé en main de quatre hôpitaux, dont un de 300 lits à Touba et trois de 150 lits à Sédou, Kafrin et Gué. Voilà le contrat. Voilà tout ce qui est dedans euh, dans le contrat. Les ressources sont très poussées, ce que je fais. Marisol va nous dire pourquoi il les a passés dans ces conditions nébuleuses aujourd'hui ça fait partie des scandales sénégalais nak moy mooy hôpital yi baax na fi mais ñun ñu yalla may tuuti ñu jang dañu naan mais à quel de la commission yo yëpp mi ngi fi Covid 19 nak non yo xamna ni ne di nga tax. sa sortie bi dina tax ñi signé pétition bi tax gëna yok parce que.

dem ci ay élections législatives dafa mel ni sax yaa ngi koy junj tànk. Mhm. est-ce que loolu nga partagé comme avis. pour mën a dérouler nag boo réforme. balaa ñu dem ci am coup de France. balaa ñu dem ci élection yi sax je pense que ñun sant yàlla le fait que le président de la république nga xam ni au-dessus de la mêlée jël na décision rencontre le président de l'Assemblée nationale ne ko nag euh, comme que député yi ñoo def luñ def que ba ñuy dindi le poste de premier ministre dañoo dindi lépp lu ànd ak moom ci assemblée. Mm. boobu ñu koy delloo si vous n'avez pas fait votre travail. Déf' l'ancien ligue, liggéey a dit le premier ministre def déclaration. d'ailleurs les correctifs à apporter. si vous au règlement intérieur. vous corrigez je viens vous ne corrigez pas je le fais sur la place publique. c'est une manière politique de parler. on va s'acheminer vers la DPG. donc DPG d'ailleurs le communiqué du conseil des ministres le président de la république a donné des instructions claires précises. mais raconte-nous ci motion de censure contre le premier ministre. Moussam ça ne veut rien dire euh, mon cher ami maman parce que Moussam de censure boo Ousmane Sanko, bu mu de def DPGM bu le président renouvelé votre confiance pendant ce temps-là vous les députés qui avez fait la mention on vous dissout voilà <laughs> donc qui a intérêt à se tirer dessus c'est-à-dire que pëndal bi nous dissoudre nous mu encore nous def motion de censure ils sont dissous le lendemain parce que deux ans et même septembre on day excédé jarul nag di dama am ay il y a vraiment la perspective de des législatives anticipées en septembre. il y aura des législatives anticipées personne y compris ñi nga xam ne dañoo perte parce qu'il y avait quand même beaucoup de candidats. 19 mhm. je pense.

Euh, defe naa yéen ngi waaj ci jeexalu ay bés bi ñu jëm en tant que coalition président manifestation bo xamni da ngeen ci marqué. Mhm. les 100 jours. Euh, pourquoi ngeen xalaat ni coalition bi daf ko wara def ginnaw bi président ci bopam defee une déclaration par rapport à la. Ah, Momar nak bu ki nga xamni ne ñun ñoo fi tek mhm. le père de la nation le patron de l'exécutif c'est les 100 jours d'ailleurs le y la def conférence de presse le 13 mais nous avons décidé de ne bàyyi kilifa ce wax ba pare ñun le service après-vente politiquement maintenant vulgariser les choses. parce que nous défendre ce régime. nous avons reculé le 20 et le 20 c'est demain D'inviter toute la presse d'inviter inviter également à la solidarité parce que ñëpp ñoo qui appellent à la rupture ils doivent être dedans ñu jël la nous jëlul jëluñu au volant mais tu as voté pour qu'il y ait rupture c'est la raison pour laquelle euh, euh, il y aura une rencontre pour xam ne d'une semaine et que euh, Inch'Allah, les sénégalais sauront que sans jours nous avons vu un président samedi dernier boo il il assuré da a euh, mhm. <laughs> parce que euh, les choses évoluent dans la vie mhm. même ceux qui critiquaient là évoluent première apparition de notre président de la République nous ne wax pas costume beeg n'importe quoi mhm oui. mais maintenant il est dans les habits du président. mais xool ko. maintenant dafa mel ni fees na fauteuil bi. xool ko bu baax. fees na fauteuil bi. ma ne ba mu egsee jam ñaajo bés boobu di def prestation serve ba mu wàccee la xam lépp xam ñëpp xam ni <laughs> mais c'est ça c'est le réalisme et c'est arriver au pouvoir et il faut la dire voilà et kii doon wax donc le président de la République samedi dernier il a assuré il a rassuré et il l'a fait dans l'humilité loolu la ñu soxla woon euh, Momar jàmm dara dàqu c'est pas le pétrole la première richesse c'est la paix <laughs> depuis Macky Sall dem ba léegi jàmm moo dellu Sénégal. <laughs> ñu dox te loolu rek jaroon na changement pour yow. mais loolu rek waxuma la leneen loolu rek jaroon na changement donc sant yàlla daal lan lu ñu defal ba vraiment. en tout cas merci merci beaucoup merci en tout cas waxtaan wi amoon na solo trop. et puis nag avec des dossiers en main loolu mo ci am solo. j'ai pas tout amené ñom xam nañ ko. waaw loolu mo j'ai pas tout lu j'ai pas tout amené. Euh, xam ni. mais lepp lu ma wax Momar. Uh-huh. na nama yalla continuer dima jox cette force là de ne jamais diffamer quelqu'un bañ di togn mais diko tek teg ci dëgg. Mm-hmm. ko tek ci lu leer loolu amna solo loolu amna solo en tout cas maître ñu ngi lay gërëm di la sant. amoon mbégte bu rëy nak fekk ak yow waxtaan bi te defe naa ñu ñu doon seetaan am nañ mbégte vraiment bu ñu toll. di la gërëm di la sant. merci mbokk yi lii lañ leen indiloon tay ci Face à Momar gi leen jox dig daje rek ba fan yi ak benen invité wasalaam merci